The forum is to do color. The forum is Il est 18h15 à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. C'est l'heure du forum du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou ont une large diffusion qui couvre aussi bien Niamey que les chefs-lieux de toutes les autres régions du pays. À travers son réseau dynamique de 34 radios partenaires à Niamey, vous pouvez nous suivre sur Alternative FM 99.4 MHz, FM 100 MHz, Quartier FM 90.9 102.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook est Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Bienvenue dans ce forum à travers lequel nous développerons aujourd'hui la thématique euh, enseignement de l'islam et du christianisme sur la propriété, l'hygiène et l'assainissement. Rappelons que la propriété se définit comme étant l'état d'une personne, d'un objet propre. C'est donc euh, l'absence de toute salissure, incluant la saleté, la poussière, des taches ou des mauvaises odeurs. On parle ainsi de propriété du corps, hygiène corporelle fondamentale pour une bonne préservation de la santé mais aussi de propriété d'un lieu ou d'un objet qui a aussi un impact important sur la santé individuelle et collective dans tout milieu de vie, sans oublier l'hygiène alimentaire qui présente aussi des risques sanitaires importants. C'est donc un sujet de grande préoccupation de par son caractère vital qui passe par des gestes simples comme le lavage des mains jusqu'à l'évacuation des déchets et la non-pollution de l'environnement des mesures classiques contribuant à une amélioration certaine de la santé et du mieux-être collectif qui sont enseignées sous diverses formes par l'islam et le christianisme. Comment ces deux religions appréhendent donc cette question de propreté Qu'enseigne-t-elle en matière d'hygiène Quelle analyse religieuse faut-il faire de cette insalubrité qui semble être toujours grandissante aussi bien dans nos maisons nos lieux de travail, de culte et dans toute la ville. Pourquoi le niveau de progrès reste encore faible dans le domaine malgré tous les efforts À quel niveau faut-il situer les responsabilités Peut-on espérer un changement de comportement Comment y arriver C'est à toutes ces questions et à plein d'autres encore que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse au cours de ce forum de trois quarts d'heure qui reçoit aujourd'hui trois personnes. Il s'agit d'abord du cheikh brahama Boubacar, président du comité de dialogue interreligieux CD Cheikh Salam. Nous avons également comme invité du côté des chrétiens le révérend pasteur Sabo Bakiri que nous avons en ligne. Il est secrétaire général de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Pasteur, bonsoir. Bonsoir et puis un troisième euh, invité que nous avons également en ligne. Il s'agit du directeur euh, de publication du journal euh, L'Union. Il est donc journaliste et à ce titre, il est également président du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement au Niger, Régia. Ousmane Dambaji, monsieur le président, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel. À la présentation, Michel Degé. Nous allons donc euh, commencer avec vous, Sheikh Braham. Comment est-ce que l'islam euh, aborde euh, la question de la propriété de façon générale Alhamdulillah. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Que la paix et la bénédiction soient sur le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sa famille et ses fidèles compagnons. Tout d'abord, encore une fois, je voudrais remercier votre studio, le studio Kalangu, pour ses inlassables efforts qui consiste à aider la population à prendre conscience de certaines questions, notamment des questions de société. C'est nous qui vous remercions. Donc, euh, il y a une définition qu'on donne en général pour l'islam en tant que tel. Mhm. les, les, marabouts, ils vous disent les deux bouts, les deux extrêmes. Si on imagine l'islam comme une corde, ils disent les deux extrêmes de l'islam, c'est la prière et l'assainissement de l'environnement ou bien la propreté de l'environnement. Comment ils disent ça Ils disent que euh, la prière, tout le monde sait que c'est la prière qui est euh, le pilier central de la religion. Mais de l'autre côté, on dit que euh, le fait de voir, par exemple, sur le chemin, une saleté, un tas d'immondices, une pierre qui peut blesser quelqu'un, un trou ou bien euh, des excréments, de les évacuer pour que ça nuit pas aux passants. Ils disent que c'est l'autre bout de la raison. Donc, euh, de ce côté, par la prière, on assainit ses liens avec Dieu. De l'autre, on améliore la société, on contribue à améliorer la société. D'autant plus que cette salissure, cet objet nuisible ça peut être un serpent, ça peut être je sais pas, un animal dangereux, ça peut être euh, des, épines. Que l'on débarrasse, que l'on dégage de cette voie euh, de, passage public. Euh, il se peut que c'est pour faire du bien à des gens qui, qui ne sont même pas recommandables, parce qu'on ne connaît même pas qui va en profiter le patient qui va en profiter, ça peut être quelqu'un de méchant, ça peut même être quelqu'un de malfaiteur. Mais l'essentiel, c'est de rendre la voie euh, propre et utilisable euh, pour tout le monde. Donc l'islam vraiment euh, accorde beaucoup d'importance à cette question d'assainissement de l'environnement. D'autant que le messager lui-même, il dit, le prophète, il dit, Nazifu afniyatikum, c'est-à-dire, il dit, assainissez votre environnement. Mm-hmm assainissez votre environnement. Je crois que ça veut tout dire. C'est donc une recommandation de l'islam. La question de l'assainissement, nous avons un autre euh, leader religieux que nous avons en ligne. Il s'agit du révérend pasteur euh, Sabo Bakiri. Donc, euh, révérend pasteur, que dit le christianisme par rapport à l'assainissement, à l'hygiène et à la propriété de façon générale Merci beaucoup pour cette question. C'est une question vraiment euh, d'actualité. La parole de Dieu est claire concernant euh, l'assainissement, la propreté de notre environnement pour la préservation de notre santé. Euh, c'est ainsi que nous pouvons voir dans Lévitique où Dieu nous dit Purifiez-vous, lavez vos vêtements, soyez saints car je suis saint. Nous le voyons dans Lévitique et dans, même dans l'Exode. dans, Dieu dit de laver ses vêtements, de purifier notre environnement parce qu'il va apparaître au peuple. cest à dire que Dieu ne peut pas cautionner la saleté. Mhm. Il a même dit euh, dans le livre de Deutéronome que quand tu sors pour aller dehors, c'est-à-dire euh, pour aller faire ses besoins, quand tu sors pour aller dehors, il faut avoir avec toi un instrument. Tu fera un trou et tu vas enterrer des excréments. Mhm. Et il ne faut pas qu'il y ait des excréments dans le camp, mhm. parce que Dieu marche au milieu du camp. Donc tu vois Israël qui est en train de marcher, le peuple de Dieu qui est en train de marcher, il n'avait pas un laboratoire, il n'avait pas euh, d'hôpital, mais Dieu leur donnait des règles précises euh, pour sauvegarder euh, leur santé. Mhm. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons la parole de Dieu qui nous exerce à laver le corps d'une haute et l'esprit d'une mauvaise conscience lorsque nous devons nous présenter devant Dieu pour euh, euh, prier. Enfin, dans le livre de Apocalypse, Dieu a promis de détruire ceux qui détruisent la terre. Mhm. Nous ne devrons pas alors par notre vie sale exposer la vie des autres. C'est comme si nous commettons euh, des meurtres, non par préméditation, mais par ignorance ou par manque de connaissances. Et la Bible dit, le manque de connaissances détruit. Mon mm. peuple est détruit faute de connaissances. Et c'est cette absence de connaissances qui est en train euh, de nous détruire. Et c'est parce qu'on est ignorant qu'on est capable de cohabiter avec des déchets devant notre propre porte. Que Dieu nous aide vraiment que Dieu nous aide. Nous avons en ligne un grand acteur euh, du domaine. Il s'agit donc euh, du président du REGIA, le réseau des journalistes nigériens pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Monsieur le président, vous, vous avez affronté plusieurs fois la question. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que jusque-là, nous avons des difficultés à asseoir euh, un bon assainissement dans la ville de Niamey, à l'intérieur du pays, mais aussi, il ne faut pas oublier la propriété au niveau de nos maisons et dans l'environnement partout où on se trouve de façon générale. Merci, Monsieur Michel. Il faut d'abord préciser que toutes les maladies handicapantes et souvent mortelles aujourd'hui sont liées au manque d'hygiène et d'assainissement. Mhm. Donc aujourd'hui, si nous pouvons adopter un comportement sain en matière d'hygiène et d'assainissement, je peux dire que sans risque de me tromper, que les hôpitaux et les centres de santé peuvent même disparaître parce que nous avons déjà fait les préventifs. Mhm. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une démission totale des acteurs la première des missions, c'est celle des autorités de collectivité territoriale. Hmm. parce qu'ils ont en charge, naturellement, de coordonner, de faire des stratégies et d'organiser la pré-collecte, la collecte, et arriver jusqu'au décharge final, et ainsi toutes les questions liées à l'hygiène dans son ensemble. Hmm. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie au niveau de collectivité, surtout quand tu prends Niamey. Il n'y a pas une politique euh, d'assainissement qui est en tout cas réelle, qui est mise en œuvre. Il n'y a pas un programme de communication environnementale qui est en train d'être exécuté. Il n'y a rien. Donc ça, c'est vraiment une démission, en tout cas, de côté de... Alors que toutes les politiques et stratégies existent en matière d'hygiène et d'assainissement. Quand je prends la SOFAP, la stratégie opérationnelle de l'hygiène et de l'assainissement de base qui a été adoptée par le gouvernement du Niger en, en, juillet 2014, qui définit clairement les rôles et responsabilités des acteurs et ce que l'État voulait apporter aux communautés pour un changement de comportement dans l'accompagnement et autres activités pour la promotion de l'hygiène et d'assainissement. Quand vous prenez aujourd'hui, nous avons dans un programme extrêmement important qu'on appelle euh, le, le, le PROSEIA. c'est le programme sectoriel au hygiène et assainissement également, qu'on doit se référer à ces deux eh, programmes ou ces stratégies pour pouvoir avancer le secteur. Mhm. L'autre élément, c'est au niveau des populations même. Les populations ne sont pas sensibilisées, ne connaissent pas réellement les dangers qui sont liés au manque d'hygiène de d'assainissement. Imaginez aujourd'hui dans nos maisons, si tout le monde peut faire un petit geste chaque matin quand on se réveille le matin, balayer sa chambre, balayer la cour de maison et devant la porte, mais je t'assure qu'on peut gagner en termes d'assainissement. Mais la problématique, c'est que souvent, on peut balayer nos chambres, on peut balayer la cour et la de maison, mais où est-ce qu'on peut verser les ordures mmh. Ça, c'est notre problème. Mmh. Est-ce que les poubelles que les communes ont placées, quand elles sont pleines, elles les déchargent Est-ce que les amène au décharge final Ça, c'est une autre question. Donc, je peux te dire que les responsabilités sont partagées. Chacun a sa part de responsabilité de la question de promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Mais le premier responsable de cette activité, c'est vraiment les collectivités. Quand je vois à Niamey les shows que les collectivités sont en train de faire, je suis déçu. la question d'assainissement ne s'agit pas que, le président du conseil ou le maire de Niamey, il sort à des individus, on met à la télé, on balaye la de Niamey. C'est plus que ça. C'est plus que ça, on doit aller vers une communication de développement, hmm. vers un changement de comportement. Qu'on implique ça même dans l'éducation de base de nos enfants. Imaginez aujourd'hui avec la lavage de mains nous sommes en train de promouvoir la question de la vache de mains avec le ministère de et d'autres partenaires. Mais au niveau des écoles, il y a des enfants, qui vont à la maison, avant de manger, ils disent à papa, maman, je vais laver mes mains avant de manger. Mhm. Donc nous sommes convaincus que l'éducation environnementale, l'éducation de l'assainissement est impérative si nous voulons effectivement amorcer le développement. Aujourd'hui, la question, le premier facteur de sous-développement, c'est l'insalubrité dans mhm. tous les pays du monde. Parce que tant qu'elle a l'insalubrité, on ne peut pas parler de facteur de développement. Parce que vous tombez malade, il faut mobiliser des ressources pour aller chez le médecin. Vous n'êtes même pas sûr d'être guéri. C'est ça la problématique. Aujourd'hui, au Niger, notre problématique, c'est que nous sommes 14 millions de personnes qui défèquent à l'air libre, qui n'ont pas de toilettes chez eux. Mais ça, c'est un scandale. Mais imaginez 14 millions de personnes chaque jour qui aillent déféquer 3, 4 fois par jour dans la nature. Mais mais c'est scandaleux. Et nous ne nous rendons pas compte de ces dangers majeurs parce que nous mangeons nos excrétas. Hum. Oui, ici, 14 millions de fêtes, mais nous les mangeons. Nous les mangeons, nous les buvons, mais c'est ça qui nous rend extrêmement malades et des maladies incurables. Moi, je pense, le temps est en train de faire, en tout cas, des très bonnes stratégies de développement dans le cadre de la sensibilisation et la communication pour le changement de comportement, mais c'est l'application qui devient un véritable problème. Et l'application qui devrait la faire, c'est plutôt les collectivités. Aujourd'hui, quand vous prenez le cas de Niamey, il y a une confusion totale entre le Haut Commissariat à niamey niana entre la ville centrale. On ne sait pas qui gère quoi. La délégation spéciale. La délégation spéciale. Donc, c'est une confusion totale. Le rôle du, président de la délégation spéciale n'est pas simplement de donner 50 000 à un quartier et venir euh, avec la télé dire que voilà le président du conseil. Non, ce n'est pas ça. Ça, vous devrez, il devrait faire une stratégie de communication, de sensibilisation pour que les gens comprennent et même les diriger liés au manque d'hygiène et d'assainissement. C'est ça qu'il fallait faire. Mais venir dans un quartier, donner 50 000 à un groupe de jeunes, balayer et puis c'est fini, il faut que ça soit un comportement inné. Il faut que chaque matin quand on se réveille, chacun de nous puisse balayer sa maison, puisse balayer les bancs de sa porte pour aller amener ça dans le, poubelle. Et eux, les collectivités doivent venir décharger ou décharger de ces ordures qui nous guettent. Mais malheureusement, ils ne font rien. Tu vas voir des caniveaux même qui, traversent le quartier. Tu vas voir, nous, en tant que population, on prend de l'eau, on verse sur le, sur le pavé qui a été acquis chèrement par l'État. Mais en tout cas, c'est une confusion totale parce que tout part au niveau de la communication et sensibilisation. Merci, Monsieur le Président. Vous indexez au tout début donc euh, les autorités municipales. Nous avons des respectés leaders religieux. Vous vous êtes dans votre rôle à cause justement de ces leaders qui ont beaucoup plus un apport euh, social. Nous n'avons pas un région justement de la délégation spéciale, mais ils soutiennent à leur niveau bien sûr qu'ils ont une politique d'assainissement qui doit permettre de rendre la ville euh, coquette à travers l'initiative Niamey dont le responsable est également le président de la délégation spécial de Niamey, donc de la ville de oui, Niamey. Oui, c'est vrai, c'est ce que le président a dit. Mais mhm. aujourd'hui, s'ils veulent vraiment une bonne politique en matière d'assainissement, ils doivent impliquer les religieux. Mhm. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les religieux qui sont aujourd'hui avec nos débat ont un rôle extrêmement important à jouer dans le cadre de la sensibilisation, et l'information. Dis-moi un programme aujourd'hui qui a approché les religieux pour les appuyer dans le cadre de presse qu'ils font. Mhm. Il n'y en a pas. C'est-à-dire le développement, ce n'est pas, pas, pas, ce n'est pas un jeu. Le développement, ce n'est pas une science exacte. Le développement, c'est un processus. Et le processus, il va falloir amener tous les acteurs concernés, les impliquer de la mise en œuvre du projet programme de développement. Mhm. Aujourd'hui, si réellement on veut que Niamey soit coquette, tout le monde doit être impliqué. Les journalistes, les leaders religieux, les jeunes, les femmes. Mhm. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas vu aujourd'hui un programme vraiment d'appui convenable aux religieux. Alors que nous savons pertinemment le rôle que jouent dans la promotion du développement, surtout toutes les questions liées au développement. Il n'y en a pas. Ce n'est pas le discours que nous voulons. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois en face la présidente de la délégation, que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ça qui va amener Niamey à être coquette. Ce n'est pas possible. Même s'ils mettent 1000 milliards à Niamey, si les gens ne sont pas impliqués, il n'y a pas une très bonne communication, il n'y a pas une bonne sensibilisation, moi, je pense que c'est voué à l'échec déjà. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Mhm. Oui, Cheikh Abraham, nous voyons euh, l'inquiétude euh, du président du Régia. Il parle en tant qu'acteur de la société civile, bien sûr. Et vous, à votre niveau, quelle analyse euh, en tant que leader religieux par rapport à cette question d'insalubrité dans la ville de Niamey, mais également un peu partout à travers le pays On ne peut qu'être d'accord avec euh, M. Ousmane Dambadji, que je, salue au passage, mhm. un acteur important qui fait beaucoup de choses dans ce domaine. Il fut un voisin même. moi, j'ai fait le matin, les 100 pas, comme on dit, le jogging le matin. Mhm. Durant tout le parcours, moi, ce qui me frappe, c'est l'hygiène. Le problème, la question d'hygiène, à quel point ça, ça ne préoccupe pas nos populations. Mhm. Il n'y a même pas longtemps, j'ai passé, il y avait une bonne dame qui très tôt, elle balayait devant sa, son, sa maison. Mm-hmm. Bon, pendant que c'était une, une, expatriée, parce que je me suis arrêté pour parler. Mm-hmm. Entre-temps pendant qu'elle balayait, mm-hmm. à deux mètres de là, une autre femme est venue déposer les, les déchets, les déchets dans le caniveau, sur le berge de, deux voies là qui vont vers rond Barré. Donc, oh, oh, j'étais étonné. J'ai dit à la dame, voilà une de vos collègues euh, ou de vos voisines qui balait Pendant ce temps, vous vous, déposez. Mm-hmm. Elle m'a dit, mais elle n'a pas un endroit où déposer. J'ai dit, mais non, ce n'est pas une raison. Votre voisine, elle aussi, elle, avait le même problème peut-être. Consultez-vous. Comment elle fait elle, ne dépose pas, elle nettoie. Toi, tu, tu, ne, balais pas et, tu, dis que tu n'as pas un endroit. Vous c'est un problème de, comportement, de mentalité. Pour nous, en tant que religieux, nous pensons que vraiment, c'est une question euh, de foi qui se pose aux gens. Les gens n'ont pas la foi. Puisque l'islam merci à M. Ousmane, il a déjà parlé de responsabilité. L'islam dit que ra'in vous êtes tous tenus pour responsables de vos actes. Du plus petit jusqu'au plus grand, jusqu'au président de la République. Dieu, il est très, très, très euh, sévère au manquement des responsabilités. c'est Sur le jour du jugement dernier, il va être le plus sévère pour ça, pour cette négligence. Parce que le manque de responsabilité, ça ne nuit pas à son auteur, s'ennuie aussi à la société. Deuxième chose, l'islam interdit de nuire au voisinage. Le prophète disait que l'ange Gabriel n'arrête pas de me dire, de, de, me, de me demander d'être bon envers mon voisin, de sorte qu'il l'a fait tellement avec insistance que j'ai cru que ce voisin-là, il est si proche de moi qu'un jour il pourrait même prendre mon héritage. Vous voyez Donc, moi, j'ai des voisins euh, qui, sont impossibles, qui, qui ouvrent leur. Euh, chaque, chaque, deux semaines ou chaque mois, ils viennent pas, c'est pas seulement moi, tout notre quartier, toute notre ruelle est je par un, un, voisin qui vient ouvrir le, sa fosse sceptique. dont l'odeur gêne tout le monde. Mais ça aussi, c'est intolérable. L'islam mm-hmm. ne tolère pas que vraiment on nuise à son voisin. Troisième niveau de responsabilité, de manque de responsabilité, la mairie. Ousmane l'a dit. Pourquoi il ne sanctionne pas ces gens-là La vie en, en société, euh, implique des responsabilités, des obligations. Il faudrait alors qu'il fasse des efforts avant de sanctionner, parce que quand la femme dit qu'elle n'a pas de, de potoir euh, pour pouvoir verser, euh, oui, c'est partagé quand même. Ça, ça. mon père a tout dit sur ces questions. Elles que sont parce que normalement, les caniveaux même ne devraient pas rester ouverts. Oui, ça aussi, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité des collectivités. Donc, au niveau des collectivités, les gens ne prennent pas les responsabilités. Moi, je suis, j'apprécie vraiment l'engagement de, certains responsables euh, qui essayent de, faire quelque chose mhm. dans la ville. Mais si à chaque fois il faut que le haut niveau vienne, qu'on les voit sur le dépotoir, mais ça, devient vraiment de tape à l'œil. C'est comme si il n'y a pas cette part pédagogique dans, dans, la conduite des affaires. Il faut que on amène nos populations à prendre conscience vraiment de, de l'intérêt de la propriété, d'abord sur le plan religieux, mhm. sur le plan de voisinage. Même si c'est le vent qui prend votre saleté pour l'amener devant la maison de, l'autre vie, c'est comme si vous êtes en train de le nuire. Vous serez comptabilisé sur ça. Donc c'est tout ça que le musulman, lui, il doit compter sur tout ça. Ne dis pas que c'est le vent qui a pris les saletés de chez toi pour l'amener. Non, pourquoi tu as accumulé tant de, saleté jusqu'à ce que les vents ou les enfants ou les animaux prennent ça pour aller nuire euh, votre voisin hmm. Donc vraiment, c'est une responsabilité, euh, responsabilisation globale. Tout le monde doit s'y mettre. Tu vois des gens qui sont dans des grosses voitures, mais qui, qui boivent de l'eau et qui jettent tout de suite par la fenêtre, ils hmm. jettent les sachets. Hmm. Pour vous dire que même au plus haut niveau, les gens ne sont pas sensibilisés. Moi, je suis allé au, Ghana, il y a, un an et demi, mais j'ai vu que là-bas, tu n'oses pas jeter quelque chose dans la rue. Pas du tout. Les gens, dans leur voiture, ils sont souvent assis sur des poubelles, si je peux m'exprimer. De corbeilles de <laughs> côté. tout ce que vous mangez, on met dans la bas Dès que la voiture arrive, on prend tout, on met dans, les poubelles, mais jamais dans la rue. Mais pourquoi on ne va pas faire, comme l'a dit euh, Ousmane, euh, attaquer d'abord euh, nos mentalités. Mhm. Et faire les infrastructures, moi, à mon avis, en responsabiliser les gens. Mhm. On vient, on construit un pavé, comme un peu dans notre quartier, là, on l'a fait, sans, sans communiquer. Moi, je connais des gens, des endroits où on ne jette même pas les eaux usées. Mais dès qu'on a fait le, pavé, maintenant, les gens ont commencé à, mettre les eaux usées. Pourquoi Parce qu'ils pensent que les pavés, c'est fait pour recevoir les eaux usées. Ah bon oui, moi j'ai même eu à, l'air de dire ça. J'ai dit, mais avant ici, moi j'ai passé le matin, je ne voyais pas de eaux usées. Mais dès que vous avez le pavé. Maintenant, vous avez des eaux usées que vous mettez partout. Bon, sinon, dans la décentralisation, au niveau des communes, il y a des chefs de quartier qui sont des membres de droit et donc ils doivent contribuer, ils doivent jouer leur rôle au niveau des entités administratives. Nous avons en ligne toujours euh, le révérend pasteur Sabo Bakiri. Révérend pasteur, selon vous, quel doit être euh, le degré de responsabilité de chaque citoyen par rapport à cette question, cette problématique d'insalubrité de plus en plus grandissante? Oui, euh, la responsabilité responsabilité de chaque citoyen, euh, si c'est des gens qui croient en Dieu, euh, ils doivent euh, se dire d'abord quelle image je dois refléter. Je dois refléter Dieu ou je dois refléter Satan. vous voyez les fous, par exemple, vous savez bien que les vêtements sales qu'ils portent, toutes sortes de choses. Ils sont eux-mêmes une poubelle. Ils sont en train de refléter Satan. Ce n'est pas Dieu qui le reflète. Donc un homme sale, un environnement insalubre ne reflète pas Dieu. Parce que Dieu est propre, il est saint, le paradis est propre, c'est un lieu euh, merveilleux. Et la Bible nous dit que notre péché va nous atteindre. Euh, même, je, prends par exemple les gens qui ont de l'argent et qui ont, euh, comment on appelle, eh, ils vivent dans des quartiers, comme on dit, chic. Mhm. Et eh, ils abandonnent les autres dans des quartiers dits pauvres et insalubres. Eh bien, le fait qu'ils aient manqué de prendre soin eh, de toute la ville, s'il y a une épidémie, ça ne va pas épargner leurs enfants. Leur péché va les atteindre aussi. Mhm. Et les gens disent souvent que Niamey est sale. Mais j'ai toujours dit que Niamey n'est pas sale. Ce sont les gens euh, qui sont sains. L'éducation est très importante et cela dès le bas âge. Les enfants doivent apprendre qu'il est interdit de jeter quoi que ce soit dans la rue. Il faut toujours chercher une poubelle. Ça, c'est l'éducation. Et c'est cette éducation qui nous manque. J'étais aux États-Unis avec le maire d'une ville. Ce n'est pas, pas une ville euh, nigérienne, mais le maire d'une ville de la sous-région il a mangé quelque chose, il a jeté le papier. Et euh, à Salt Lake City, c'est une belle ville. Rapidement, je me suis précipité pour prendre cela. J'ai dit, mais tu nous fais honte. Quelle mère tu es pour jeter toi-même quelque chose dans ce lieu propre Ou même les arbres, quand tu les vois, et les fleurs, ils sont vraiment euh, contents. Donc, il y a là une question d'éducation. Il faut aussi viabiliser euh, toutes les villes. C'est extrêmement important. Comment elles doivent être viabilisées euh, Il faut mettre euh, des poubelles. Partout, il faut mettre des poubelles. Là, il faut que les municipalités mettent des poubelles partout où cela besoin est. Et il faut que dans chaque maison, qu'il y ait aussi euh, une poubelle. Mmh. Il faut aussi que des caniveaux soient entretenus. Pourquoi pas avec une euh, des activités à forte intensité de main-d'œuvre. Parce qu'il y a des gens qui sont au chômage, ils peuvent trouver du travail dans le curage ou la vidange de tous ces caniveaux. Mhm. Il faut qu'il y ait aussi des véhicules de transport de saleté suffisants. Donc, pour moi, c'est ça, viabiliser une ville. Quand on dit que c'est un endroit viabilisé, pourquoi parce qu'il y a l'eau et l'électricité Non, l'eau et l'électricité ne sont pas les seuls euh, éléments dont on a besoin euh, dans un environnement. On a besoin des espaces de jeu propres pour les enfants. On a besoin des caniveaux propres. On a besoin des poubelles, là où on doit déposer nos déchets. Malheureusement, il y a une démission sur toute la chaîne. Les gens sont vraiment les malins. C'est très honteux. C'est très honteux. Même les intellectuels qui les voient en train de manger et de jeter les choses dans la rue. Donc, ils, connaissent tout souvent des professeurs, hein, même d'université. Cependant, tu ne peux pas dire un professeur d'université qui n'est pas éduqué. Donc mhm. il y a une éducation à l'environnement qui a manqué au Niger et il faut revenir à l'essentiel et aux fondamentaux pour vraiment sortir de cette situation. Aussi, sanctionner après avoir fait tout cela, il faut sanctionner sévèrement les contrevenants. Et ça, ça va rentrer dans la tête ou dans le cœur des gens et ils ne feront plus cela. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, révérend pasteur. Euh, merci pour cette euh, contribution. Nous avons toujours en ligne euh, le président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, Monsieur le Président Ousmane Dambaji. Nous avons vu ces inquiétudes que vous avez soulevées au tout début, qui sont également abordées par ces deux leaders religieux que nous avons. Mais à ce niveau, on a l'impression que euh, tout le monde est coupable, tout le monde est responsable de cette situation peu inviable que nous avons, Président. Absolument, absolument, M. Deji. Si vous avez suivi le chèque, si vous avez suivi également le pasteur, tour à tour, on, on, mentionné le rôle de la propriété dans l'islam et dans le christianisme. Et mm. donc, ça, c'est extrêmement important. Bon, maintenant, imaginons vous avez vu le rôle de l'islam, de la propriété de l'islam. Vous avez vu le rôle de la propriété de la chrétienté. Mais aujourd'hui, il y a des mosquées dans lesquelles vous ne pouvez pas prier. Les gens ne prennent même pas le soin de balayer la maison de Dieu. Imaginez, et on dit que, et je, parle sous le contrôle des chefs, que la mosquée doit être plus propre que votre chambre. Mhm. Donc c'est pour te dire que c'est une question d'éducation comme l'ont relevé tous les deux. Imaginons aujourd'hui, quand on fait baptême et mariage, vous réunissez plus de 1000 personnes. Ce pas des animaux, mais on ne pense même pas à faire des toilettes euh, euh, mobiles. Les gens sont là en entassés du matin au soir, on ne pense pas aux, toilettes. On ne pense pas aux poubelles, on ne pense à rien absolument. C'est extrêmement grave. Mhm. Quand je prends aussi dans la rue de Niamey, les collectivités ont le devoir de mettre des toilettes publiques. Mais vous allez voir sur le livre des patrons, on écrit 10 000 francs si vous urinez ici comme amende. Alors, s'il n'y a pas la trime, et votre conseil, vous êtes obligé d'uriner par terre, dans la rue. Donc, mais s'il y a des toilettes qui sont un peu placées dans la rue, parce qu'il faut penser comme en Europe, mais je vous dis que les gens ne vont pas uriner eh, dans la rue. Imaginez aujourd'hui, dans le Niamey, vous allez voir des gaillards de 40 ans, de, vieillards qui urinent dans la rue sans aucun scrupule. Évidemment, quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas de dispositifs qui ont été pris en compte. Il n'y a pas de toilettes publiques. Autre chose également, quand le, pasteur parle d'un de, maire, de, maire, qui a voulu jeter un truc à, aux États-Unis, moi je te dis, je vécu la même situation en 2009 à Paris, lorsqu'on partait pour les assises de la coopération décentralisée avec le maire du Niger. Hum. J'étais jure, en 2009, dans les rues de Paris, en plein cœur de Paris, on sortait avec les maires pour circuler. Un maire a failli pisser dans le rue de Paris, comme on le fait ici à Niabé. Voilà, attention, on a dit, mais écoutez, monsieur le maire, vous qui êtes censé donner les bons exemples, et c'est vous qui allez ici dans les rues de Paris, imaginez le, leader qui est censé transmettre des valeurs, c'est lui qui n'a pas ces valeurs. Donc c'est pour un peu aussi soutenir le pasteur. Aujourd'hui aussi, imaginons Niamey. Dans tout Niamey, pendant, depuis l'indépendance à aujourd'hui, on n'a pas une usine de traitement de boue de vidage. Mmh. Comment tu peux comprendre, avec tous les déchets de nos forces, on, vide les forces sceptiques, on va, en déverse à la nature. Mais ça, c'est incroyable. Parce qu'on n'a pas des canalisations qui peuvent conduire ce truc-là. Mais c'est maintenant, avec la Banque mondiale, qu'on est en train de construire notre première station de traitement de boue de vidange mm. en 2018, imaginez, hein, pour pouvoir canaliser toute euh, cette, décharge des fosses forces Sinon, comment Imaginez, les, les, les, forces sceptiques, non, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est pour te dire que c'est vraiment une question d'éducation qu'on l'a dit, comme l'ont dit les deux, deux, professeurs. Mhm. Il faut mettre l'accent sur la communication. Et quand je remonte encore un peu en haut, je vois que les autorités même pas, ne même pas la vision. Comment vous allez confier deux grandes institutions de questions de à un seul individu mhm. S'il vous plaît, on ne parle pas politique. Il faut parler objectivement. Moi, je suis un acteur de développement et je parle en toute objectivité et j'agis et je, parle en développement. Comment est-ce que Niamey qui est un haut commissariat, avec tout ce qui, qui comporte Niamey, il y a un grand programme qui est, qui est très ambitieux. Plus la ville de Niamey qui n'est pas permis, en tout cas, excusez-moi la ville de Niamey qui n'est pas un petit jeu. Ouais. C'est pas permis à n'importe qui de gérer la ville de Niamey. Mmh. Vous convenez le Dieu, vous êtes une seule personne qui va gérer toutes ces institutions-là. Si vous plaît, pas le sérieux de ce que nous faisons. Est-ce qu'il manque des C'est un programme du président avant tout. Non, je n'attaque pas les programmes. Mmh. Les programmes, il est ambitieux, il est pertinent, on l'accompagne. Mais le, Niamey c'est très bien son organigramme. La ville de Yémen, tout le monde connaît son rôle qu'elle joue. Mais je ne dis, c'est pas possible qu'on confie ça à un seul individu si on veut réellement des résultats. Mmh. Donc c'est pour te dire que, franchement, si on veut promouvoir les questions d'assainissement, nous avons les textes qui sont là. Il y a des sanctions qui sont prévues. Mais avant de sanctionner, il y a les rôles régaliens de l'État à travers les services déconcentrés, à travers le collectif territorial qui ont aujourd'hui en charge la gestion de, de, de, l'environnement. Donc c'est pour te dire que la démission, elle est tout. Et on revient à nous, cette population, nous avons un comportement qu'il faut bien être. Quand je te parle de nos mosquées, compartiment aux, églises, on a parlé aujourd'hui du comportement de nos maires à l'Europe, on a parlé de nous autres mêmes Comme l'a dit l'échec, tu vas voir quelqu'un avec le gros cylindrée de plus de 20 millions qui mange, qui jette. Il n'est pas éduqué. Donc, tu vois, il nous faut, c'est ça, j'ai dit au maire central de Niamey, le président de la j'ai dit, si vous voulez réussir, ce n'est pas magie. Faites un programme une stratégie. Je me suis porté un moment volontaire pour faire la stratégie de développement de communication pour la ville et mhm. il y a des journalistes, il faut les engager. Il faut faire des projets pour confier aux médias de la place. Quoi qu'on dise, les médias font leur travail. Chaque matin que Dieu fait, vous avez des télévisions qui font des émissions, qui font des reportages Tout sur la situation par rapport à l'échelle euh. Mais appuyez-les, demandez-leur de faire des petits projets et coordonnez avec eux. Vous avez les religieux. Demandez aux religieux nous savons que vous êtes très important dans le développement et la communication. Faites-nous un programme de deux ans, on vous appuie. C'est ça que vous faites tout le temps, mais maintenant qu'on a de l'argent, on vous donne plus pour que vous puissiez être à l'aise. On appelle le jeune, l'enfant et tout le monde. Ce n'est pas à cause d'argent, mais c'est un appui qu'on apporte à la personne, à la culture, pour pouvoir faire mieux. Il faut faire les choses d'une manière technique et d'une manière professionnelle avec tous les acteurs. Si on, nous explique, euh, on me dit, monsieur Dabaji, le manque d'hygiène, voilà ce que ça peut causer pour tes enfants même. Dans le quartier, si, comme par exemple le chef l'a dit, si on explique aux gens, si vous laissez vos, vous vous comment forces couler dans le riz, voilà ce que vous causez. D'abord, vos enfants vont tomber malades, vous allez être malades, et maintenant, pour vous soigner, vous dépensez beaucoup d'argent. Et les investissements que l'État a fait, vous les dégradez. C'est comme ça qu'il faut effectivement sensibiliser les gens. Et c'est ce que j'ai dit, tous les acteurs que tu vois aujourd'hui, chacun a sa part de responsabilité, chacun a sa contribution à donner si on explique la gestion même de la chose biblique. C'est ça, moi, ma vision globale de la chose. On voyage tout le temps ailleurs. On a vu à l'intérieur du pays, ici même au Burkina Faso, qu'est-ce que Burkina va nous montrer que, mm. En quoi le Burkina nous dépasse En quoi le Burkina nous dépasse C'est ça. Ce n'est pas question de ressources. C'est question d'engagement, c'est questions de stratégie, des questions de vision et de bonne volonté politique. C'est des questions donc euh, qui ont trait à la mentalité des citoyens. On peut dire, vous parlez justement des fausses sceptiques, euh, Monsieur le Président. En fait, on a l'impression justement qu'au niveau des quartiers où les citoyens sont relativement pauvres, ces forces euh, sceptiques causent des problèmes parce que nous avons des eaux usées, c'est-à-dire les eaux de toilette qui passent partout dans les rues et les enfants sont exposés. Cette question, comment vous l'abordez également les, les questions d'hygiène ne sont pas liées à la pauvreté. Je suis quelque part un peu d'accord, mais il faut qu'il y ait une politique. Si, par exemple, le quartier est extrêmement pauvre, mais l'État peut les aider à faire des forces sceptiques. Mais maintenant, l'important, c'est même chez les pauvres qu'il faut dire, écoutez, vous êtes extrêmement pauvre et vous allez augmenter votre vulnérabilité si vous n'êtes pas propre. Donc, si vous faites ça aux gens, vous sensibilisez les gens pour dire, écoutez, soyez propres. Et maintenant, l'État va les aider de là où ils sont défaillants. Si c'est des forces n'arrivent pas à faire, on les aide un peu. Il y a des programmes qui le font. Même l'État peut le faire, la commune peut le faire. Sensibiliser les gens, aider les gens à faire un trou. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait un vaste programme. Il faut que les collectivités soient à l'écoute de nos communautés. la pauvreté n'est pas liée à, à, à l'insalubrité. Non, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous avez des familles extrêmement pauvres, mais vous pouvez bien manger, dormir chez eux. Mmh. Vous avez des familles riches, vous ne pouvez pas manger chez eux, vous ne pouvez pas boire de l'eau chez eux. Donc, c'est un problème de mentalité. Imaginez aujourd'hui sur le marché, les vendeurs de nourriture. Excusez-moi le terme, euh, je, demande excuse à mes sœurs nigériennes. Quand vous partez chez les vendeurs de manger, vous allez voir la même eau qu'on lave le main, la même eau, c'est ça, on lave les assiettes, et quand tu viens, c'est là, les encore, on va laver l'assiette pour te servir. Et quand elle finit, tu vas faire la comparaison. Une femme nigérienne et une femme euh, côtière, tu vas voir, si elle finit, elle va balayer avant de rentrer chez elle. Mais nos, soeurs vont rester tous les débris qu'elles ont machinés là et elles quittent la maison, elles chez elles. Donc c'était une, question d'éducation. Ailleurs, les gens sont en avance sur nous par rapport aux questions d'éducation environnementale. Comment tu peux comprendre au Niger, on te parle de 14 millions de personnes qui défèquent à l'air libre S'il te plaît, M. Béji, ça, ça doit interpeller. Et avec ces taux d'éducation à l'air libre de 14 millions, on ne peut jamais être riche. On ne, quel que soit le milliard qu'on va injecter, on va rester toujours pauvre et pauvre parce que les indicateurs, c'est-à-dire ce développement humain qui est le plus en train de mesurer, c'est toujours ça tourne autour de l'éducation et la santé. Et mmh. quand tu vois là où on est, on est vraiment faible, on n'arrive pas à être au-dessus des autres, c'est par rapport à la santé et par rapport à l'éducation. Et tout ça là, quand tu vois, ça c'est quelque chose qui, qui va de pair. Mmh. Ça va de pair. Comment tu peux comprendre un directeur général, un patron qui mange et jette de la rue Comment tu peux comprendre à l'heure actuelle, en 2018, on peut organiser une cérémonie et ne pas penser à placer des poubelles ou bien faire de la, de pour les gens Et ce ne sont pas des animaux. Imaginez un marché. Autour du marché, s'il te plaît, nous sommes dans un pays musulman. Tu vas voir en face des femmes, des filles, le gars va se mettre ni un gaillard pour uriner sur la rue, s'il te plaît. Parce que, le part, c'est vrai, il manque d'éducation, il manque des infrastructures d'hygiène et d'assainissement autour du marché. Mhm. Et on se dit musulman. Non, il faut qu'on revoie les choses. Il faut que chacun joue sa part de partie, euh, joue son rôle pour que vraiment nous puissions sauver. Quelle scrupule, quelle éducation vous avez donnée aux élèves, aux femmes qui marchent dans la rue Et vous voyez, vous avez des gagnants en face de vous qui sont déshabillés, ni et qui urinent. S'il vous plaît. Merci, Président. on, on, remercie infiniment le Président. On va continuer avec vous. C'est des sujets quand même euh, qui sont difficiles. C'est quand même une thématique qui est transversale. Il y a pauvreté et islam. Qu'est-ce qu'il faut dire Parce qu'elle parle des toilettes euh, chèques. Nous avons le quand même des toilettes au niveau des établissements scolaires. Même lorsque ces infrastructures existent, on a des difficultés à s'en occuper au niveau de ces latrines qui sont plutôt là, mais que voilà, chaque élève vient faire comme il veut ses besoins et retourne. Le reste, c'est pas son problème, comme on dit. C'est très dommage. Malheureusement, nos écoles n'éduquent pas euh, dans, ce sens. Mhm. Et notre école ne vous apprend pas comment être propre. Ou bien Ça existe normalement à l'école primaire, il y a des leçons morales, la propriété et tout ça. Dans tous les cas. Euh, moi, je voudrais appuyer ce que les prédécesseurs ont déjà dit. Qu'on le veuille ou non, la responsabilité incombe à l'autorité. Mm. Si l'autorité le, veut, il y aura hygiène, ne ce qu'au moins dans les villes. Le problème, c'est que ce sont, les, citoyens qui deviennent des autorités, en fait. Donc, pour arriver à un changement de mentalité, il faut que les citoyens... s'il y a la volonté politique, s'il y a la bonne stratégie, moi, je ne vois pas ce qui empêche vraiment d'avoir propriété. Bon, si vous le permettez, on est déjà dans les solutions. S'il y a la, euh, la volonté politique, s'il y a la bonne stratégie, il y a une condition pour être en ville. Tu ne dois pas vivre en ville si la ville ne t'a pas appelé. Et tu dois respecter des conditions l'autorité a le droit de bien garder les villes, mhm. de rentrer dans, dans nos mosquées, c'est-à-dire de, de, réglementer mhm. ces mosquées, ces églises, ces lieux de culte en général. L'autorité doit même aller jusqu'à les fermer quand c'est, quand c'est insalubre. Ce C'est pas un péché, mais on, laisse, les choses se, se, passer, se faire mhm. jusqu'à ce que maintenant, tu vois, des grands commerçants qui construisent de belles villas, mais ils oublient ils le font sur un hectare, ils oublient de faire euh, une place pour la mosquée, ils vont squatter la rue, ils vont construire quelque chose dans la rue et les gens vont venir habiter. Tout ça, c'est un laisser-aller. C'est normal. Si quelque part les gens ne voient même pas l'importance de, cette mosquée, si quelque part les gens ne, donnent pas, ne voient pas l'importance de la rue, je suis sûr que si on crée un quartier et que ce quartier, on, le dote de toutes les infrastructures, de tous des pavés, des rues, des lampadaires, de tout. Et mhm. on, met le, le minimum d'agents d'hygiène qui viennent contrôler. On va rester 10 ans les populations, les jeunes qui vont gagner ces populations, ils finiront par adopter des comportements. S'ils voient chaque jour on, on balaye, chaque jour on nettoie, chaque jour on, on, déplace les ordures de façon ordonnée. On demande à chacun de, de, placer les ordures à tel endroit et qu'on vient à, des heures ponctuelles les, ramasser. Mais les enfants qui vont grandir dans ce milieu-là, je suis sûr qu'ils seront contre vraiment le, le dépotoir sauvage, ils seront contre l'insalubrité. Merci donc à vous, Cheikh euh, Braham. Euh, nous sommes donc euh, au terme de cette émission qui a eu comme thème principal enseignement des religions islamiques et chrétiennes sur la question de la propriété, de l'hygiène et de l'assainissement. Nous retenons que l'hygiène contribue donc à une amélioration de la santé et du bien-être des populations il y a lieu donc de changer de mentalité, il y a lieu à ce que des efforts continuent à être faits à tous les niveaux. Il faut cet apport pour pouvoir arriver à rendre nos villes propres quand on le veut bien. On peut être propre même étant pauvre. Merci à vous tous qui avez suivi cette euh, émission. Nous étions en compagnie du Cheikh Brahma Bouboukar, président du comité de dialogue interreligieux, CEDIR qui a participé à cette euh, émission ainsi que le révérend pasteur Sabo Bachiré. Il est le secrétaire général de l'Alliance des missions Églises évangéliques du Niger. Amen. Enfin, nous avons le journaliste euh, directeur de publication du journal L'Union. Il est aussi le président du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement Régia. Ce forum est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments et bonsoir.